Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, merci d'être à l'écoute euh, du forum du studio Kalangu, Au micro, Mohamed Maman, journaliste à la radio Garkwa Maradi. Le forum est diffusé sur l'ensemble des huit régions du Niger grâce à un réseau de 46 radios partenaires et 6 télévisions, dont 5 basées à Niamey et une Maradi, vous écoutez ce forum sur les ondes de la radio Garkwa 107 MHz et la radio Saraunia sur les 102 MHz. Le forum d'aujourd'hui a pour thème Bilan de la participation des jeunes et des femmes candidats aux élections municipales passées dans la ville de Maradi. Le mois de décembre 2020 a été marqué par trois scrutins en Niger. Il s'agit des scrutins locaux, législatifs et présidentiels pour lesquels les Nigériens étaient aux urnes le, 13 et 27 décembre 2020. L'on note globalement que les dites élections se sont déroulées sans incident majeur. À Maradi, l'attention était portée vers une participation effective des jeunes et des femmes dans le processus en tant qu'électeurs, mais surtout en tant que candidats ou candidates. C'est dans ce même temps d'idée euh, qu'une coalition a été mise en place pour organiser des activités de sensibilisation pour amener ces franges, euh, ou bien cette frange de la population, cette frange de la société à mieux s'intéresser à la chose politique. Euh, comment la jeunesse et les jeunes se sont préparés pour affronter les élections. Quel est le bilan qu'ils font de leur participation aux élections locales et les leçons retenues Enfin, comment envisagent-ils l'avenir Pour débattre euh, de ces questions, nous avons invité Issoufou Mahaman, président du Mouvement national des jeunes pour une démocratie de développement, Monaged, Aboubakar Adamou, jeune politicien et candidat aux élections municipales passées, Madame Ramatoulaye Noussa, aussi candidate aux élections municipales passées. Merci, mesdames et messieurs, euh, d'avoir répondu à notre invitation et soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous euh, au forum du studio Kalangou. Débutons ce forum avec euh, vous, monsieur Yusuf Mahaman du Monaged, pour nous faire succinctement la genèse de la création de cette coalition et les objectifs poursuivi. Je remercie d'abord euh, le studio Kalangou. Donc, pour faire la jeunesse euh, de cette coalition, il faut se rappeler que cette coalition a été mise en place par une ONG qu'on appelle HIMMA, donc qui a été financée elle-même par euh, le PNUD, programme PNUD. Donc, objectif de cette coalition, c'est de regrouper les organisations des jeunes et des femmes, donc de la région du Maradi, dans une organisation qu'on appelle coalition. Donc euh, cette coalition, c'est pas seulement ici à Maradi, donc, euh, mais il y a aussi ce qu'on appelle CVC dans le département, dans les huit départements, donc qui compte euh, la région de Maradi. Donc l'objectif de cette coalition, c'est vraiment encourager et promouvoir la candidature des jeunes donc, dans les élections donc, qui sont en train de préparer par notre pays. Donc euh, c'est ça l'objectif principal de cette coalition. Autour donc de cette question, euh, l'idée était donc d'amener ces, jeunes et ces femmes à, mieux s'impliquer euh, politiquement. Justement, justement. Donc, il faut se rappeler aussi depuis la démocratisation ici au Niger, donc après la conférence nationale, donc nous avions constaté vraiment une, un recul en matière de participation politique de ces jeunes-là. Donc, euh, plusieurs raisons. Je ne sais pas si on peut revenir sur les raisons. les raisons de la création de, ce, de, ce, de cette coalition. Voilà, euh, la, la, le raison de la création, donc, euh, comme je l'ai dit, c'est promouvoir la participation politique de ces jeunes-là. Donc, je ne sais pas si on peut, Chantama, donc, revenir sur les raisons oui, on peut, on, peut, on, peut, parler des raisons de la création de, de cette coalition. non, les raisons qui, qui, font en sorte que donc, les jeunes là ne participent pas à la, à la vie politique de la nation. Donc, le premier point d'abord, c'est le manque de prise de conscience. Donc, euh, c'est ça qu'on a relevé. Donc, on a compris que la jeunesse, depuis l'avènement de la démocratie ici au Niger, donc euh, la jeunesse, je voudrais dire filles et garçons, donc ne s'intéresse pas donc n'ont pas une prise de conscience effective donc, de leur participation à la vie politique de la nation. Et le deuxième point, c'est manque d'inscription. Donc euh, l'ignorance, un peut de l'ignorance en un mot. Donc euh, ça veut dire que la majorité de ces jeunes, donc euh, vraiment, ne sont pas instruits, n'ont pas été à l'école. Donc d'où le manque de prise de conscience. Il y a aussi la méconnaissance des textes législatifs. Donc beaucoup ne connaissent pas vraiment les textes, donc euh, le code électoral, la constitution, tout ça là, donc les raisons qui le poussent à être dans la vie publique, dans la vie politique. Donc euh, il y a aussi le manque de moyens financiers. Hmm, vous savez que nous sommes dans un pays que vous connaissez. Donc euh, le manque de moyens vraiment font défaut. Et pour affronter, pour embrasser la politique, il faut nécessairement un moyen conséquent, vraiment pour aller faire des élections, faire des campagnes, tout ça là. Donc euh, il y a aussi la discrimination au sein même des partis politiques. Donc euh, au niveau des partis politiques, donc euh, les aînés donc, sont en train de discriminer les jeunes là sont en train de les discriminer. Vous connaissez la réalité socio-politique, socio-culturelle du Niger. Donc, quand on voit un aîné, donc on lui laisse la place. On dit que c'est le petit n'a pas d'expérience, tout ça là. Donc euh, cette discrimination, vraiment, c'est à dénoncer dans le, dans le parti politique aussi. Donc il y a aussi barrières socio-culturelles. Donc euh, notamment notre religion, vous savez que la religion euh, musulmane, nous sommes à 99 musulmans, 100 musulmans. Donc faire en sorte que les femmes sont déjà on dit que la place des femmes est à la maison. Vous voyez, tout ça là. Donc, euh, il y a aussi la mauvaise application du quota. Vous savez, au Niger, ça existe depuis quelques années. Donc, euh, un quota donc, qui oblige le gouvernant à mettre euh, donc, les femmes dans les instances de prise de décision. Mais ce quota-là n'est pas malheureusement appliqué ou n'est pas effectivement appliqué ici au Niger. Il y a aussi le manque même de ce quota au niveau des jeunes, donc jeunes garçons. Donc ça n'existe même pas ce quota-là. Donc d'où notre lutte qui continue, Inch'Allah. Président, merci euh, pour euh, toutes ces précisions. Monsieur Aboubakar euh, Adamou, vous êtes jeune, vous avez décidé de faire de la politique. Pourquoi Et Je remercie Studio Kalangou pour cette opportunité qui m'a été offerte. Je me suis fait l'idée d'être politicien. Pourquoi Parce que de nos jours, ce sont toujours les mêmes têtes qui nous gouvernent. Il n'est pas question de dire qu'il faut rajeunir. Mais pourquoi ne pas rajeunir D'autant plus que, ici au Niger, si vous voyez, si vous faites le pourcentage, sur le pourcentage de la jeunesse qui domine. Et pourquoi ne pas intégrer aussi la politique afin de pallier à des problèmes que nous sommes en train de vivre Surtout de nos jours, notre jeunesse notre jeunesse est en train de vivre vraiment. Vraiment. Parce que si vous voyez maintenant pourquoi nos jeunes sont en train de vivre certaines situations, c'est parce que réellement, ils n'ont pas quelqu'un auprès de qui ils peuvent se baser, qui peut toutefois expliquer les soucis qu'ils sont en train de vivre. Donc, à propos de cela, je me suis fait l'idée. Donc, euh, il faut que je m'implique et de la politique afin que j'essaie de pouvoir aider mes frères et sœurs qui sont en train de vivre une situation vraiment qui n'est pas favorable à leur faveur. Ne, serait-ce qu'au niveau euh, euh, local Oui. D'ailleurs même, pas local seulement. Avec le temps, je pense, échelonner l'étape. Pourquoi ne pas être aujourd'hui ou un de ces quatre matins un parlement Aborder le problème de la jeunesse toujours donc, euh, moi, ma décision, ce n'est pas de m'arrêter au niveau local, mais à l'échelon national. Qu'est-ce qui ressort de cette expérience que vous avez vécue Bon, j'ai énormément appris. J'ai énormément appris. Parce que je vois en face de moi nos aînés qui sont là. J'ai appris d'eux ce qui est bon en moi et j'ai rejeté dans la poubelle ce qui n'est pas vraiment favorable à, et à mon côté. Et j'ai énormément appris. J'ai appris réellement beaucoup de choses. Parce que comme, avait, comme qu'avait évoqué Monsieur le Président, donc, il y a une ignorance de nos jeunes en ce qui concerne les textes. Et moi qui suis en train de vous parler maintenant, j'ai énormément appris de ces textes lorsque je me suis impliqué dans la dans la politique. Sinon, j'ignorais bon nombre de choses. Mais le fait que je me suis impliqué dans la politique, j'ai énormément appris. Et je pense que c'est un fruit qui me sera salutaire aussi. Merci Aboubakar. Euh, tournons vers Ramatoulaye. Euh, vous avez aussi participé euh, à l'élection municipale, plus précisément à celle de la ville de, de Maradi. Pourquoi Vraiment, moi, mon ambition, c'est le fait d'apporter ma petite contribution à l'égard des femmes qui ignorent leurs capacités. Je me suis intégrée dans ce domaine-là pour vraiment montrer aux femmes qu'elles peuvent être capables de tout. Il suffit seulement de s'engager. Donc, il suffit seulement de s'engager, de prendre conscience, de, de leur donner un bon exemple. C'est pour cela vraiment que j'ai jugé utile de me lancer dans, ce domaine-là. Sinon, c'est pour ma première fois. C'est un test que j'ai fait. Et comme j'ai acquis beaucoup, beaucoup de connaissances. Et beaucoup d'expérience aussi. Beaucoup d'expérience surtout, oui. J'ai acquis beaucoup d'expérience. Et comme disait donc euh, euh, euh, <laughs> l'autre là, j'ai pris les bons côtés et moi aussi, vraiment, j'ai mis les autres à réserve. Moi, je n'ai pas du tout rejeté, je suis en train d'examiner, puisque peut-être ça peut me servir dans l'avenir. Merci Yiramatoulaye. Euh, pour parler des activités de la coalition euh, président, Issoufou, qu'est-ce que vous avez pu faire comme formation au conseil au profit des candidats oui, oui, dans un premier temps, nous avions organisé donc euh, la collecte, c'est-à-dire euh, l'identification de ces candidats d'abord, le potentiel candidat. Parce que pour aller à l'action, il faut identifier vraiment les gens qui sont concernés et les cibles. Donc c'est ce que nous avions fait dans un premier temps et nous les avons vraiment détectés, collectés. Et après, nous avions organisé des sessions de formation. Ce sont des formations sur les textes, tout sur la procédure électorale, tout ce qui s'ensuit. Et après, nous avions fait des sensibilisations quartier par quartier. Donc, nous avions ciblé donc, quelques quartiers phares et nous avions regroupé ces candidats-là donc, euh, pour euh, vraiment les sensibiliser. Et après, on a examiné le code électoral, c'est-à-dire euh, tous les le tous les articles qui composent le code électoral, donc qui sont vraiment favorables à ces candidats-là d'y poster. Et vraiment promouvoir leur participation surtout. Et leur impliquer que la prise de décision, là, vraiment, ça commence par eux. Et il faut que les gens s'impliquent dans les instances de prise de décision pour que le pays change, pour que le développement soit réel et durable. Monsieur le Président, euh, ces activités ont seulement concerné la ville de Maradi ou vous êtes parti au-delà de la ville de euh, Maradi oui, oui, comme je vous l'avais dit, donc euh, l'ONG Himma s'est pas arrêté ici à Maradi seulement. Il y a aussi le CVC, donc Comité des veilles citoyens, qui sont mis en place dans les départements, le département de Maradi. Donc eux-mêmes, à travers leur cahier de route, donc leur feuille de route. Donc, ils avaient un certain nombre des activités qu'ils ont donc, en même temps réalisées, qui est la coalition des Maradis. Donc, euh, voici ce qui s'est passé. Merci, Président. Euh, Bakar, euh, avez-vous profité de cet appui de la part de la coalition Bon, vraiment, si je peux me permettre de vous le dire, je peux vous dire non. Je n'ai pas profité d'aucune aide de cette coalition. Euh, pourquoi Parce que vous, vous êtes de la ville de Maradi. Je suis de la ville de Maradi. Bon, je peux me permettre d'une part de dire que même vraiment, j'ai n'ai pas pris connaissance même de l'activité de la coalition. Voilà, voici la raison, si je me permets de le dire. D'accord. Euh, et vous, euh, Ramatou, est-ce que vous avez tiré profit des activités de cette coalition Si. On a beaucoup tiré pas mal de profit, vraiment puisqu'on a été formés. Nous avons reçu des formations. C'est ça qui m'a même suscité vraiment à, déposer ma candidature. nous ont été formés d'abord sur la constitution du dossier, ensuite euh, sur le leadership, et aussi donc notre dernière formation là sur la participation, sur la capacité de la femme de, montrer la valeur de la femme, le rôle que joue la femme dans la société. Vraiment, euh, on a beaucoup bénéficié vraiment de cette association l'AHIMA et encore du, de l'autre, le bailleur, le PNUD. Vraiment, voilà, nous, nous avons profité de cette opportunité. Vraiment, nous avons été pas mal édifiés sur ce domaine-là. Nous allons continuer toujours notre euh, débat euh, pour parler maintenant de bilan. Quel est le bilan que vous dressez de votre participation aux élections municipales Avez-vous pu être euh, conseillère au titre de, votre parti, Ramatou Vous savez, actuellement, propose, Dieu dispose. Donc, Dieu a fait en sorte que je ne fais pas partie des élus, mais ce n'est qu'une partie remise je remercie le bon Dieu. Mais vraiment, on a, on a beaucoup bossé. Qu'est-ce qui s'est passé <laughs> Vous savez comment est le Niger là. Vraiment, les gens sont deux fois de deux côtés. Ils ne sont pas honnêtes du tout. vraiment, on a, fait, on a eu une forte mobilisation, mais en fin de compte, vraiment, je ne sais pas par quel miracle ça n'a pas été ressorti. Autrement dit, les femmes étaient euh, pour votre candidature. En tout cas, en elles m'ont très bien soutenue. Le jour du vote là, ma maison était pleine. Était pleine. Même le premier jour où on n'a pas fait l'élection là, vous savez, nous au niveau de la commune trois mois, je peux dire même, c'est ça même qui avait même provoqué. Euh, euh, euh, cet échec-là. Hmm. Vraiment. effectivement, au niveau de l'arrondissement 3, il y a eu report au lendemain euh, mhm. pour, les, pour les élections. Vous pensez que ça a eu un impact sur... En tout cas, en tout cas, puisque moi, j'ai beaucoup de militants qui sont des enseignantes et ça a considéré que le jour-là, on avait commencé les pécules. Ensuite aussi au niveau des étudiants aussi. J'ai vraiment des militants aussi. Et euh, Dieu a fait en sorte que c'était un lundi et ils ont travaillé, les étudiants au niveau de l'université. C'est ça vraiment qui m'avait amené même c'était <laughs> cet échec-là. Moi, j'accuse ça sur ça puisque euh, je sais qu'ils auraient qu'ils ont eu donc le temps de voter. Si, ils ont voté le dimanche, ça allait... En tout cas que... <laughs> je, en tout cas que j'espère. J'espère, puisque je sais que vraiment les, les étudiants là, ce sont tous euh, mes, mes enfants, si je peux le dire puisque ce sont des, des frères et des, frères Ce sont même mes propres filles, puisque j'ai une fille étudiante, donc ces, amis-là, elle, elle, aussi, vraiment, elle était choquée, puisqu'elles ne peuvent rien faire. Elles elle ne peut rien faire. Voilà, eh, mm. voilà. <laughs> Même elle, ma fille, était à l'école elle n'a pas eu la chance d'aller voter. <laughs> Euh, vous, Aboubacar, vous aussi, vous avez euh, participé donc à ces élections. Est-ce que vous avez été élu conseiller Non, je n'ai pas eu la chance d'être élu conseiller. Et qu'est-ce qui s'est passé Oui, bon, je peux toutefois un peu me baser sur ce qu'a dit Ramatoulaye. Vous savez, nous sommes tous nouveaux dans la politique il faut le reconnaître. Et je suis énormément reconnaissant à nos électeurs. Ils ont fait de leur mieux, mais on ne peut pas faire autrement, d'autant plus que la chance n'a pas souri en notre faveur. Mais ce n'est qu'une partie remise et ça nous encourage de plus, si Dieu nous prête longue vie, Inch'Allah, pour le prochain scrutin. On sait qu'on a beaucoup appris et on aura à apprendre davantage aussi. Et ça serait aussi une chance pour nous, peut-être qu'on sera élu, non pas conseiller, mais peut-être quelque chose de plus que le conseiller. Il y a ma coloration politique aussi. Mais avec le temps, on continue à sensibiliser les jeunes. Je suis pour les jeunes et je leur ai dit voici la raison pour laquelle je me suis engagé dans la politique. Mais est-ce que vous êtes d'accord du fait qu'on dit aujourd'hui, comme les jeunes n'ont pas beaucoup de moyens financiers, euh, cela peut être euh, peut-être un obstacle pour eux Est-ce que cela a été un obstacle pour vous Réellement, ça a été un obstacle pour moi. D'autant plus que si vous voyez de nos jours, nos électeurs, vraiment, il leur faut un geste. Ça, je n'ai pas à le cacher. Je l'ai dit ouvertement. Parce que de nos jours, vous faites mobiliser des gens et ils attendent de vous quelque chose. Et si réellement vous ne, vous ne disposez pas de quoi à leur faire du bien, mais vous voyez Ils ne vont pas voter pour vous. Ah bon Même s'ils vont voter pour vous, mais pour la prochaine fois, mais... Mettez-vous en tête que quelqu'un qui va leur faire du geste, bon, ils vont de l'autre côté. Mais à chaque fois, ils votent votre couleur politique, étant donné qu'une fois dans l'isoloir, bon, ce n'est pas pour vous qu'ils vont voter. Mais ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose que j'ai dit que du mal à leur égard. Non, je leur suis énormément reconnaissant. Et une fois de plus, on va renforcer davantage notre lutte pour leur faire savoir que le petit truc qu'on leur remet, ce n'est pas ça l'important. Mais une fois que nous, qui sommes, nous sommes engagés dans la politique, une fois que nous atteignons le sommet que nous voulons, mais quelle lutte est-ce que nous allons engager pour leur bien C'est ce qu'il faut voir. Ce n'est pas le petit bien qu'il faut voir, quelque chose qui ne peut pas toutefois tenir votre journée d'aujourd'hui. Par exemple, vous allez voter, on vous remet une somme de 1000 francs ou bien deux morceaux de savon. Mais avant les, la somme de 1000 francs, avant les deux morceaux, vous mangez et vous faites la lessive et vous faites vos petits biens. Mais c'est ce que les gens doivent comprendre. Que même sans ça, on doit, on doit continuer à vivre. On doit continuer à vivre. Moi, moi me suis engagé, mais qu'est-ce que j'ai en poche Qu'est-ce que j'ai dans mon compte Pratiquement rien si je me permets de le Mais je me suis engagé, c'est pour le bien de toute la jeunesse nigérienne. Non pas la jeunesse du Maradi, mais pour toute la jeunesse nigérienne. Quelle leçon, quelle expérience vous tirez euh, euh, de, cette, euh, de votre participation Vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris à travers des scènes qui se sont déroulées. Quel genre de scène Voilà. Vous venez trouver des attroupements, vous vous mettez à l'écart, vous demandez voici ce qui se passe. Souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de publier ici au studio. Il y a le laisser aller. Il faut que... De qui De tous les côtés. De tous les côtés, si je me permets de les hein, Et réellement, on doit prendre en responsabilité ce qui est en train de se passer. On doit prendre en charge ça. Et on doit vérifier. Nous, devrons rester toujours yeux ouverts et avoir de bonnes oreilles et être aussi très vigilants par rapport à ce que nous sommes en train de mener. Merci Aboubakar. Euh, vous, Ramatou, vous avez aussi participé à ces élections. Quelle expérience vous tirez de votre euh, participation Moi aussi, vraiment, j'ai tiré pas mal d'expérience. Donc, euh, moi, ce que j'ai compris vraiment, le fait, avant même de déposer la candidature, il faut vraiment qu'il y ait un plan d'action. Il faut qu'on se prépare. C'est deux maintenant qu'on se prépare. C'est pas à la veille ou bien au jour J. Vraiment, il faut qu'on s'élève. Donc, il faut avoir des bonnes relations avec les uns et les autres. Il faut avoir un groupe vraiment honnête, sensible. Puisque si c'est le moment des élections, quand tu appelles les gens, tout le monde vient. Tout le monde vient. Et tu vas penser que vraiment ces gens-là sont de ton côté alors que sur le retour, euh, ils sont de l'autre côté. Vraiment, il faut d'abord préparer, il faut d'abord préparer, il faut avoir aussi des moyens. Vraiment, c'est une question des moyens. Puisque même si tu as la conviction, si tu n'as pas des moyens, vraiment, je ne sais pas si on peut advenir là où on veut. Vraiment. Vous avez rencontré des difficultés Si, j'ai rencontré des difficultés. Puisque. Quel genre c'est moi, tout ce que je ne peux pas oublier, vraiment, c'était le jour du vote. C'était le jour du vote. J'ai eu pas mal de problèmes, vraiment. Il y avait trois, euh, postes. Il faut que à, chaque fois, il faut sillonner. Donc, ici, il y avait au niveau de ces 6 et tantôt je suis au ceg tantôt je suis de, à l'ENI, <laughs> tantôt je suis à Wazirfa. Et à chaque fois, on t'appelle, ici, il y a un groupe qui est là, venez, venez, vraiment. <laughs> c'est ça que je En tout cas, c'est ça que je ne peux pas oublier vraiment. Et il y a aussi un point très important. Lorsqu'on avait donc fini le dépouillement, j'ai cherché qu'il me donne euh, aussi le PV et, les différents présidents là de, de la CENI ont refusé. Il a fallu que j'étais là-bas aux environs d'une heure passée du matin. C'est par après vraiment qu'ils ont vu. Vraiment, moi, je, je sais ce que je fais. J'ai eu seulement un seul PV, alors que nous avons neuf bureaux de vote. Ils ont donc fermé, ils ont refusé de remettre les PV. Sans les PV, vraiment, on ne peut pas réagir. Quel qu'en soit Alpha, tu dois admettre euh, sur ce que tu as vu, sur ce que euh, tu as remporté. Mais ça aurait été que j'ai les PV à main, je peux porter plainte là où je veux. Donc, ils ont refusé de nous remettre le PV là. Vraiment, moi, j'attire l'attention de la commission là, surtout la CENI, de mettre le paquet. Vraiment, il y a des gens qu'on a pris qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont, ce qu'ils sont venus faire. Surtout au niveau des mandateurs, là, ce sont des petits enfants. Ce sont des petits enfants. Il faut que tu, euh, que, tu euh, jettes un coup d'œil dans les bureaux de vote. Dès que tu regardes, tu vois donc le mandataire est dehors. Moi, j'avais même rencontré un mandataire en train de distribuer les cartes. Voilà, J'ai, j'ai qui devrait être dans le bureau eh, pour contrôler cette C'est ça on a pris des petits enfants qui ne savent même pas leur rôle, qui ne savent même pas l'objectif qui les a amenés eh, eh, eh, au niveau euh, des bureaux, de, vote. Vraiment. Même les, même les présidents, hein. même les présidents. Le président, il a nié, soit disant qu'il ne doit pas remettre euh, euh, les PV là. J'ai dit pourquoi Toi, tu n'as pas été formé Ou bien quel, article te permet de refuser un PV Pourquoi nous sommes là en pleine nuit. C'est à cause euh, de, de ces PV-là, c'est pour avoir la preuve qu'on est là. Eh, mais j'ai tout fait, mais il a refusé. Ce n'est qu'après, vraiment, j'ai eu un seul, à peine, de neuf. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça <laughs> Abakar, euh, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées euh, au cours de votre expérience Au cours de mon expérience, j'ai réellement vécu bon nombre de difficultés. Par exemple, je peux remettre en cause ce qu'avait dit Ramatullah tout à l'heure. Si je me rappelle bien, pendant les élections locales, il fut un président du bureau de vote qui a pris les gens en otage jusqu'à 2 heures du matin. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il était en train de manigancer. Quelqu'un qui attend incessamment un résultat, depuis, le déploiement avait commencé depuis 20 heures. Et Jusqu'à 2 heures du matin, on n'a pas le résultat. Mais mettez-vous à ma place, comment, qu'allez-vous Vous, Vous étiez angoissé. Mais plus qu'angoissé, Mohamed. Plus qu'angoissé, parce que la preuve palpable que moi je peux me baser là-dessus, c'est le PV. Et au finish, je ne l'ai pas. Si j'ai des recours à faire, au dépend de quoi est-ce que je peux faire des recours C'est au dépend du PV. Oui. Et pendant la journée aussi, vous allez voir des achats de conscience et autres, mais auprès de qui allez-vous vous plaindre Et ce sont des choses réellement à éviter. On a essayé par tous les moyens de mettre ces genres de trucs à l'écart, mais on n'a pas pu. Vous voyez Et j'appelle aussi l'attention de la CDI. On dit Commission électorale nationale indépendante. C'est une structure qui est indépendante. Donc, elle a le plein droit et le plein pouvoir vraiment de mener les activités comme on le souhaite. Elle doit prendre acte. La première expérience, c'était pendant les élections locales. La seconde, c'était les élections couplées législatives et présidentielles. Il y a du n'importe qui, comme c'est qu'avait dit Ramoto au sein des bureaux de vote. J'ai fait le tour des différents bureaux de vote. Il y a du n'importe qui, il y a du n'importe quoi. Mais on ne devrait pas se permettre ce genre de trucs parce que nous, on va nous mettre sur le qui-vive. Les, les, mandataires, euh, les jeunes mandataires, les petits mandataires, est-ce que ce n'est pas la faute à vos partis politiques Par exemple, moi, je vous ai évoqué le cas d'un président du bureau de vote. Quelqu'un qui fuit sa responsabilité. Parce que moi, je peux appeler ça une faute de responsabilité. Pourquoi tu es là On, on t'a fait subir une formation. Et tu n'arrives pas à mettre en application ce qu'on t'a appris. Mais c'est une faute de responsabilité. Laissez-moi vous dire un truc, moi. Mhm, mhm, je vous écoute. Le soir, là, je m'étais égaré dans une école. Vous vous rendez compte Je suis né à Maradien. Et l'école dont je, vous, je suis en train de vous parler, je ne veux pas dire le nom de l'école, mais je me suis égaré au sein de la cour de l'école. Vous vous rendez compte Comment Quand cela est arrivé Dieu à l'angoisse je, je m'attendais à des résultats favorables, mais jusque-là, à une heure tardive, vous vous rendez compte je vous assure que c'est un ami qui m'a retrouvé. Eh, qu'est-ce qui se passe J'ai dit, mais je t'assure que je suis égaré. égaré Je dis, Mais c'est pas possible. Ouais, mais ça m'a servi énormément de leçons. Je sais que prochainement, Inch'Allah, sur quel pied est-ce que je vais danser Merci, Abakar. Euh, Ramatoullah, vous, vous avez profité donc euh, de, cette coalition. Euh, est-ce que selon vous, les activités de la coalition ont été des apport pour les candidats Si, vraiment. C'est un apport vraiment positif, si je peux le dire. Vraiment, ça nous a été, ça, ça nous a été vraiment. D'un grand apport. D'un grand apport, vraiment. Voilà. ce sont les mots même qui me manquent pour euh, justifier la valeur de, du profit qu'on avait tiré auprès de cette euh, ONG-là. Vraiment. Merci M. Euh, Monsieur le Président euh, Issoufou Mahaman, euh, euh, vous avez conduit donc cette coalition. En termes de bilan, quel bilan peut-on tirer des activités au sortir donc des élections municipales Permettez-moi d'avoir un peu sourire à <laughs> qui, qui <laughs> égaré. Donc, comme c'est vraiment action, c'est aussi une expérience, vraiment. Bon, vraiment, le bilan était plus que satisfaisant je dirais. Puisque d'abord, ce qu'on a constaté sur le terrain, la prise de conscience des jeunes, vous voyez autour de cette table comment les jeunes ont participé massivement à ces élections-là. Avant, ce n'était pas comme ça, dans la région des maladies surtout. Donc, euh, la prise de conscience et l'engouement autour des candidatures. Surtout, les jeunes se sont vraiment bousculés au sein de leur parti politique pour être retenus surtout. C'est ça qui nous a vraiment marqué. Et aussi, quand on a fait le suivi, vraiment, il y a eu des témoignages. Il y a eu beaucoup de témoignages. Voici devant nous <laughs> les candidats ici qui sont devant nous. Et il y, avait aussi beaucoup de ces genres candidats vraiment qui ont participé à ces élections-là. Et vraiment, nous étions satisfaits et vraiment, nous remercions cette coalition-là qui a fait un bon travail sur le terrain, surtout sur le terrain. Est-ce que vous comptez vous arrêter euh, en si bon chemin parce que vous faites un bilan, en tout cas satisfaisant de. Oui, justement, tout dépend des financements. En tout cas, nous nous appelons vraiment aux partenaires, surtout aux partenaires, de poursuivre les financements de cette activité parce que vous avez vu, ça a donné ses fruits. Donc, euh, nous aurions espéré, c'est même pas pendant les périodes électorales, mais c'est un truc euh, qui, qui doit durer dans les temps ça doit durer parce que la prise de conscience, vous savez, parce que le pays se gère toujours. C'est au quotidien qu'on gère le pays. Donc il faut qu'il les jeunes participent aux instances décisionnelles de ces pays. Est-ce que vous avez compris que les jeunes ont effectivement compris l'importance euh, de, de, leur participation dans le domaine de la politique Justement, parce que c'est un premier pas. Le fait que vous participez à la gestion d'un pays, ça commence d'abord par le dépôt. Il faut que vous saviez comment déposer vos candidatures d'abord. Donc, euh, quand on a constaté vraiment les gens là ont bien compris comment d'abord déposer les dossiers, comment postuler, comment participer aux élections. Donc, euh, pour gérer, il faut participer aux élections. Parce qu'on ne peut pas vous prendre comme maire, comme, comme conseiller, sans autant d'être élu conseiller. Vous voyez Donc, ça commence, le premier pas commence à participer d'abord par la participation aux élections là d'abord. Donc vraiment, nous sommes satisfaits de cette participation là. Alors nous allons toujours poursuivre notre débat. Maintenant, nous allons parler des perspectives et nous allons parler euh, de, votre avenir politique parce que vous êtes euh, engagé résolument à faire de la politique euh, votre engagement. Euh, comment envisagez-vous votre avenir politique Bon, comme je vous l'avais dit, j'ai décidé d'intégrer la politique c'est de mon propre gré. Et vu la situation que notre jeunesse est en train de vivre, ça c'est un premier pas que j'ai mené. Et j'ai énormément appris. Et je suis toujours en apprentissage. Et je ne veux pas cesser d'apprendre une fois qu'on apprend, on y arrivera. Ce premier pas m'a énormément encouragé au point que j'espère toujours atteindre mon objectif. Et j'appelle l'attention aussi de mes autres frères et sœurs qu'ils intègrent aussi la politique afin que nous puissions mener le combat ensemble, afin que nous puissions aboutir, afin d'avoir un résultat salutaire. Je me suis engagé et je ne veux pas rebrousser chemin. Malgré les difficultés Malgré, Non, ça, on vit avec. Découragé. Les difficultés, on vit avec d'ailleurs. Même si ce n'est pas en politique, les difficultés, on vit avec. Une fois qu'on s'est engagé dans une aventure dont on ne connaît pas assez, donc on est obligé d'être en face des difficultés. Mais ces difficultés-là aussi, ce sont les leçons que nous apprenons. Et pour une prochaine fois, si Dieu nous prête longue vie, on sait comment éviter ces genre d'obstacles. Si vous me comprenez. Et donc, on ne va pas cesser. Donc, les premières difficultés qu'on a rencontrées, on les a déjà surmontées. Donc, pour une prochaine fois, donc on sait que, bon, même si on voit ces genres de situations, on sait que, bon, eh, eh, écoutez, ce sont des genres de blabla qu'on a vécu l'année, une telle année, bon, on a dépassé ce stade, bon, donc on est face, en face à d'autres choses. Parce que il faut toujours se mettre en tête qu'une fois qu'on est en face de quelque chose, qu'on s'est engagé, il faut avoir, l'amour de ce truc. L'amour que vous avez pour cette chose, c'est ça qui va vous permettre de la mener comme il est sollicité. Autrement dit, vous, vous allez continuer à faire de la politique. Et je vais inlassablement continuer. Ramatoulaye, euh, vous êtes aussi euh, candidate et politicienne. Comment envisagez-vous votre avenir politique moi, vraiment, je suis déterminée. Je me suis engagée et Inch'Allah, je tiens jusqu'au bout. Et si ce n'est pas vraiment ma religion qui ne me permet pas, euh, moi, je peux dire vraiment un beau jour, je souhaite à ce que je prenne la tête de ce pays-là. Oui. Mais Vous êtes vraiment ambitieuse. En tout cas, en tout cas, voilà. <laughs> et vous pensez que seule la politique peut vous permettre euh, d'atteindre ce but. En tout cas, c'est seulement la politique, puisque c'est un truc, euh, euh, c'est un poste qu'on occupe à travers donc les élections. Donc, tant que tu n'es pas politisé, tu ne peux pas affronter les élections. Je vois que vraiment la politique là, c'est un point vraiment très important. Et ça concerne beaucoup de réserves. Et encore aussi, moi, je vais, Inch'Allah, mon ambition maintenant, c'est de remplacer le premier ministre là, le premier rang là, qu'on donne toujours, toujours ces premiers, premiers taux. Inch'Allah, désormais, il y aura une première ministre. <laughs> oui. Inch'Allah, le premier là, vraiment, je veux qu'on qu l'échange. Que le ah. premier soit au, féminin oui, alors. Au féminin, c'est ça. Merci. Merci, Ramatoulaye. <laughs> Euh, Issouf est-ce que vous avez vu des jeunes qui sont découragés par qu'ils ont, par l'expérience vécue mm, Bon, le premier découragement, c'est qu'on a vraiment eu en face de nous. D'abord, comme je vous l'avais dit, c'est le manque de moyens. Chaque fois, les jeunes nous disent qu'ils euh, n'ont pas le moyen d'affronter les grands. Ils n'ont pas le moyen d'affronter les grands. Nous ce qu'on a vraiment à, leur inculquer, c'est la prise de conscience d'abord. Il faut qu'ils sachent que les grands même ont commencé par petit. Donc c'est le petit qui devient grand. Donc si vous dites que vous n'avez pas les moyens, donc ce euh, vraiment c'est pas une bonne chose. Donc euh, il faut essayer, oser. Oser, c'est ça qu'on a inculqué aux jeunes. C'est ça qu'on a inculqué. Quel concept pratiques euh, avez-vous à prodiguer pour euh, les autres jeunes et, même les femmes qui veulent s'engager dans la politique sans hésiter et Merci bien pour cette question, Mohamed. Et vraiment, chapeau à Ramatoulaye. Parce que je ne m'attendais pas à ces propos. Donc, euh, j'ai dit à nos auditeurs jeunes Écoutez, écoutez très bien ce qu'avait dit Ramotou. Et c'est quelque chose du jamais entendu. Elle dit qu'elle souhaite que l'expression Premier ministre ou l'expression Premier devienne premier ministre ici au Niger. C'est un souhait qu'elle a. Et elle s'est engagée. Et on ne sait pas à quel point ça va aboutir. Et faites comme elle. Embrassez la politique. Ayez le courage. Essayez de surmonter toutes les difficultés qui se trouvent avec le temps, ça va, ça va venir. Ça va venir et Inch'Allah, Rabbi, on va atteindre le sommet. Mais ceux qui sont maintenant à notre sommet, mais c'est à ce genre d'étape qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas dégringolé. Mais pourquoi pas nous aussi essayer depuis le plus bas sommet et au niveau et échelonner aussi. Et j'encourage mes frères et sœurs je les encourage fort. Hein. Allez-y, intégrez-vous dans la politique et ayez le courage réellement de tous ceux que vous allez être en face. Parce que rien n'est facile. Rien n'est facile. Hein. On ne peut pas être un champion sans pour être victime des difficultés et autres. Non, ça, c'est pratiquement pas faisable. Il faut s'attendre, une fois qu'on s'engage dans une aventure, donc il faut s'attendre aux obstacles qui vous seront en face. Ça, il faut s'attendre. Par, exemple, nos jeunes qui sont des étudiants et autres, mais ils sont en face des obstacles. Donc, de même que la politique aussi, c'est comme ça. on doit s'embrasser et on doit travailler main dans la main afin que nous puissions aboutir à nos buts. Vraiment, je les encourage. Ramatoulay, et vous Quels conseils pratiques avez-vous à prodiguer aux jeunes jeunes hommes, jeunes filles et jeunes femmes euh, pour euh, la politique Quant à moi, vraiment aussi j'attire l'attention des jeunes, euh, à savoir donc les jeunes filles, garçons et les femmes, vraiment de s'y mettre, de mettre le paquet, d'embrasser le domaine politique là, vraiment. Et une fois mis pied de tenir jusqu'au bout, quel qu'en soit l'obstacle qu'ils vont euh, advenir. Donc, euh, de tenir jusqu'au bout un adage dit vraiment qui va, qui va. Président, un dernier mot pour ces jeunes Oui, mon dernier mot, j'ai l'habitude d'entendre euh, donc génération consciente. Moi, je vais plutôt m'orienter au niveau de la génération qui participe aux élections. Parce que rien n'est possible sans participer aux élections. Parce que tu ne peux pas être dirigeant. On ne peut pas te On ne peut pas, tu ne peux pas occuper un grand poste sans être euh, vraiment engagé dans la politique. Vraiment, j'appelle les jeunes, la jeunesse en particulier, vraiment de participer à la vie politique. Parce qu'il faut participer à la vie politique pour un peu penser à diriger ce pays-là. Et le développement d'un pays repose spécialement sur une jeunesse, sur la jeunesse engagée. Merci. Merci Issoufou Maman, merci Aboubakar Adamou, merci Madame Ramatoula Inoussa pour avoir participé à ce forum. Au sortir donc de ce forum, euh, les participants que vous êtes sont unanimes qu'il est plus que jamais nécessaire que les jeunes s'intéressent à la politique pour prendre à bras le corps le problème de cette frange de la population. La politique euh, reste, pour Ramatullah surtout, le moyen le plus sûr pour atteindre les instances de prise de décision. Il faut être persévérant, euh, surtout pour les jeunes qui veulent embrasser la politique, euh, car pour réussir dans la politique, certes le chemin est semaine d'embûches, mais avec la volonté, on peut y parvenir. Merci et à la prochaine.